pour le regretter que vous avez poussé cette limite. Je me rappelle la dernière fois, bi ngay suis allé fonction ñëw fii assemblée ma interrogé la question bu am la seule réponse qui me ma servir et je l'ai toujours retenu Moi, ñi fi pas di le protocole de Rebeuss et ça je pense que ce n'est pas ce qui est attendu de vous. Et malheureusement, l'on l'a retenu bataille de vous. Et toutes les déclarations qui ont suivi sur des questions de droit, parce que c'est un état d'esprit que ça traduit, vous n'apportez pas des réponses en droit, mais des réponses politiques et politiciennes. Et ni ce que vous avez dit, c'est impossible tant que vous êtes là avec cet état d'esprit. Cette justice indépendante, équitable, accessible, adaptée aux besoins des justiciables et des acteurs économiques. Impossible avec vous. Vous savez, le président de la République l'a dit, que c'était dans sa volonté de se retirer de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Cette indépendance, pourtant, tous les candidats à l'élection présidentielle voulaient lire ce programme. C'est la première chose pour nous consigner. Parce que, évidemment, il faut que le président disparaisse. Vous également, en tant que ministre de la Justice, vous ne pouvez pas continuer éternellement à agir sur le parquet et vouloir parler d'indépendance de la justice. La justice, elle est fondamentale dans un pays, même parlant de l'environnement des affaires. Un citoyen du monde, fait pour nous, est intéressé buy ñëw ci benn war investir bu fa bu suba contentieux amee dërëmam boobu nan lan ko koy gérer nan mais pas dans un pays où le président de la République lui-même dit que pour gracier quelqu'un ça dépend de sa volonté et de son désir ça pour vous interpeller sur aujourd'hui la manière dont vous devez gérer cette justice-là nous constatons et le regrettons et nous le condamnons, ce qui s'est passé à Louga, qui est le tribunal de Louga. Mais là, de nous ramener à la perception de la am justice de façon générale ak fin ci tout et lu mën a la donc loolu laa amoon lu may wax pour xamal ni la avec vous Sénégal mënul def benn Diego de justice parlant des conditions de détention. Monsieur le ministre, je pense que prison que les prisonniers sont dans de bonnes conditions c'est totalement faux et vous le savez les prisonniers ne sont pas dans de bonnes conditions on ne peut pas admettre que les prison initialement nous prévoyons que pour 1000 détenus aujourd'hui on en est à 3000 détenus on ne peut pas admettre que dans une pièce de 13 par 7 mètres, 91 mètres carrés, nous faille entasser 200 détenus. Ce qui est dommage, c'est que le président Macky Sall s'est toujours organisé dans nos manifestations politiques pour ne jamais être pris. C'est pourquoi il ne se connaît absolument rien des conditions de détention. Et pratiquement de tous les leaders du Sénégal, il est le seul à ne jamais être pris. Il s'est toujours bien organisé. Il est très intelligent sur ce registre mais l'on nous ce qui se passe dans ces prisons-là j'ai des questions par contre à vous une question à vous poser Moi, concernant les notaires et là, bi may qu'en est-il du dossier des notaires pour leur charge après avoir réussi le concours et bien passé le stage justice B, mi merci beaucoup